forum du studio kalangu le forum du le forum forum Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou que vous recevez via son réseau de 46 radios partenaires repartis dans les 8 régions du Niger. Je suis Nafis Adam Sirfo. Le plaisir est pour moi d'animer ce premier numéro du forum spécial élections au Niger. Le processus électoral est entamé au Niger. Nous sommes en pleine campagne électorale. Le Studio Kalangou, fidèle à sa mission d'information, vous offre l'opportunité de découvrir les programmes politique des 30 candidats déclarés éligibles à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Le studio Kalangou se propose durant ses campagnes électorales de vous présenter 10 forums dans l'une des trois langues que sont le Hausa, le Zarma ou le français et cela à raison de trois candidats par émission. Ce soir, le premier numéro du forum spécial élection au Niger a l'honneur de recevoir les candidats suivants. Monsieur Amadou Issifi, il est candidat indépendant. Idé Sandi, le secrétaire général du parti Anema Bani Zumbu, qui représente euh, le général Munkaila Issa, président du dit parti. Et nous avons également envoyé une invitation au parti euh, ANDP Zamalahia, qui n'a pas envoyé de représentant. Nous allons donc euh, poser à ces candidat trois questions, à savoir quelle est la priorité du programme de chaque candidat, quelles sont leurs propositions dans les domaines de la santé, l'éducation, la sécurité, l'agriculture et l'élevage, et comment ils comptent les mettre en œuvre. Bonsoir à tous, bonsoir chers candidats. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Dans ce premier chapitre, nous allons parler de vos motivations, vos priorités dans vos différents programmes. Je commence par vous, monsieur Amadou Issifi. Vous êtes candidat indépendant. Dites-nous pourquoi ce choix merci beaucoup, Madame Lafissa. Donc, euh, je vais faire une brève présentation de ma personne. Donc, Amadou Sifousaïdou, candidat indépendant. J'ai 49 ans, je suis ingénieur des travaux en informatique de gestion. Pourquoi une candidature indépendante C'est après analyse euh, de, des 30 ans de démocratie que nous avons eu dans ce pays. Après analyse, euh, malheureusement, le constat, le constat n'est pas reluisant. Il y a bon nombre de Nigériens par la faute des acteurs qui ont animé la scène politique durant ces 30 années, par leur faute, il y a bon nombre de Nigériens qui ne croient plus, qui essayent même de remettre en cause ce système de gouvernance qu'est la démocratie. Parce que banalement, très souvent, on voit des gens prendre repère à des régimes d'exception, c'est quand même un échec. Ça, je pense que c'est pas vraiment à l'honneur de la démocratie, c'est pas à l'honneur de notre intelligence la classe politique, parce qu'aujourd'hui, on a des ingénieurs, des docteurs et autres, et des professeurs à la tête de ce pays, mais malheureusement, par leur faute, bon nombre de nos concitoyens ne croient plus aux partis politiques. Je peux dire que les partis politiques, euh, le constat qu'on a eu à faire, ce que je suis désolé de le dire, mais les partis politiques ont échoué. Ont échoué pourquoi, en fait, un parti politique, quand tu déposes ton dossier d'ouverture, et euh, ton dossier d'obtention d'agrément, mm. logiquement, dans le statut de tout parti politique, il y a le volet formation politique. Et ce volet existe malheureusement, malheureusement. Je ne sais, je suis sûr même qu'il n'y a aucun parti politique qui s'occupe réellement de la formation de ces militants. En gros, si on comprend, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi d'être candidat indépendant. C'est l'échec des partis politiques. Les Nigériens ne croient plus à ces partis politiques. Je dis donc, comme la constitution nigérienne donne aussi la possibilité d'être indépendant, je dis il faut proposer aux Nigériens autre chose. Monsieur Amadou, dites-nous eh, quelle est la priorité de votre programme la priorité de notre programme, elle est toute simple. Ce pays souffre énormément d'un déni de justice. C'est l'impunité et la corruption généralisée qui plombent tous les efforts de développement de ce pays. Nous, notre objectif, c'est de faire du Niger et un Niger où vraiment on a une véritable prospérité économique. Et pour atteindre cette prospérité économique, il faut obligatoirement passer par un climat eh, social apaisé. Et ce climat social apaisé, pour l'avoir, il faut qu'il y ait une véritable justice. Monsieur Idé Seydou, secrétaire général du parti ANEMA. Le parti ANEMA, si on peut le dire, est un tout nouveau parti dans la scène politique. Euh, pourquoi la création de, votre parti euh, Merci Madame Nafissa. Euh, je dois rendre grâce à Dieu euh, de nous avoir permis d'être ici en bonne santé et en toute énergie. Je dois rendre également grâce à la radio Kalangou qui nous donne l'opportunité de partager nos, nos, visions respectives aux populations pour qu'elles puissent choisir en toute connaissance de cause. Enfin, je salue fraternellement mes autres camarades prétendants au fauteuil présidentielle. Cela dit, euh, un parti, s'il faut synthétiser, l'objectif de la création, c'est la conquête du pouvoir. Mais euh, pour pouvoir prétendre au pouvoir, il faut justifier d'une longue expérience, d'une longue tradition, d'une longue connaissance des populations du pays. Général Monkel que je représente, a fait 42 ans de sa vie au service des populations nigériennes en tant que soldat donc de 79, où il a commencé comme commandant d'unité sous l'autorité et l'encadrement du général Kounche parce que Kounche était quand même en même temps ministre de la Défense en son époque, le général Munkel a pu rendre visite dans les coins les plus reculés du Niger. Il a commencé par Tawa. Donc des zones comme Tilia, Tassara, etc. Puis il a servi à Gadez, Ingel, Iferouane, Bilma pour se retrouver à Difa, Dirkou, et avant de venir à Zender, faire les Damergou, faire les Tesker, euh, la zone sud de Soniam et autre chose. C'est sur ça qu'il s'est fait une, une idée de l'adversité auxquelles les populations sont confrontées dans le nord en termes de désertification, en termes de difficulté de, trouver du fourrage, en termes de sécheresse, en termes de plusieurs désastres qui sont en, train de vivre. Cela l'a cela euh, l'a motivé naturellement à dire qu'il peut être utile pour la nation aujourd'hui après sa retraite. Et, et, quelle, est, euh, quelle, est, la priorité du, programme de votre parti euh, Notre programme s'articule autour de deux axes principaux. La bonne gouvernance. Qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance bonne gouvernance Ça veut dire lutter contre l'impunité, ça veut dire lutter contre la corruption, ça veut dire euh, dépolitiser l'administration. Ça veut dire euh, rendre la justice moins dépendante. Je vais parler ici du cas particulier du parquet qui doit être desserré de l'emprise de la chancellerie. Et je veux dire aussi instaurer la culture de l'obligation, le résultat et dépolitiser l'administration. Mm-hmm. Voilà un peu ce que nous entendons par bonne gouvernance. Ces axes de votre programme, comment vous comptez les mettre en œuvre Pour dépolitiser, c'est très simple. Notre candidat, le général Moukelissa, est prêt à, exercer son devoir vis-à-vis, y compris de ses candidats, de ses, militants. En quoi faisant exactement Nous allons passer tous les postes du Niger à concours. Et ces postes-là ne seront pas des concours organisés par une fonction publique ou des agents. Ça va être des cabinets privés. Tout simplement, c'est des pratiques. Ouvert à tout citoyen Tout citoyen. Vous n'êtes pas obligé d'être notre, parti ou de ma mouvance. Le, général demande à tout citoyen. On veut un poste de directeur général du Trésor. Tous les citoyens nigériens qui ont le profil, qui pensent être en mesure d'assumer cette fonction, on ouvre le concours on, ne chercherait pas à savoir votre région, votre ethnie, votre couleur de peau. C'est votre mérite. Et avec obligation de raison, on va vous donner un cahier de charge. Quand nous disons qu'il faut combattre l'impunité, il y a des mécanismes pour attribuer les marchés. Il y a des mécanismes pour contrôler la gestion ce n'est pas autre chose. Il faut les mettre en œuvre. Donc, euh, tout comme le parti Anema Banizumbu, M. Euh, vous l'avez dit plus haut, euh, votre plus grande euh, priorité, c'est de mettre fin à l'impunité. Donc, tous ces axes, comment vous comptez les mettre en œuvre, monsieur En fait, euh, cette impunité généralisée, là, on sait comment c'est arrivé. C'est pour ça, c'est ce qui a même justifié, je l'ai dit, ma candidature indépendante. Les partis politiques au Niger ont fini toujours par une alliance. Et dans leur logique de partage, et dans la logique d'avoir peur de perdre la, de perdre la majorité à l'Assemblée générale, les gens ferment les yeux sur certains forfaits. Mhm, mhm. Et ce qui est inadmissible dans un état de droit. Donc c'est cette logique de partage, c'est cette logique de coûte que coûte vouloir garder l'exécutif. Mhm. Parce que la majorité nomme le Premier ministre. Et c'est ça qui nous a conduit là où on est. Et pour ça, je suis un candidat indépendant. Vous allez me dire forcément, j'aurai besoin d'une majorité à l'Assemblée pour gouverner. C'est là où je le rejoins pour moi, je travaillerai avec les Nigériens qui veulent travailler. Nous avons donc euh, entendu les priorités de ces candidats présents dans ce studio. Je rappelle que nous avons invité le parti ANDP Zamalaya qui n'a pas envoyé de représentants. À présent, euh, nous allons voir avec ces différents candidats ce qu'ils prévoient, euh, ce que leur programme politique prévoit dans les secteurs différents. Nous allons commencer par l'éducation. Euh, on sait que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, les projections montrent que la population en âge d'entrée en première année du cycle fondamental CI devrait atteindre plus d'un million d'enfants chaque année d'ici 2030 contre environ 4, 400 000 enfants en 2001. Euh, si l'État nigérien donc veut accueillir tous ces enfants rien que pour la CI, il va falloir construire 10 000 nouvelles classes, salles de classe et recruter autant d'enseignants. Je reste toujours avec vous, Monsieur Amadou Issifi. Vous êtes un candidat indépendant que comptez-vous faire de spécial pour le secteur de l'éducation au Niger, notamment pour le primaire, le secondaire et l'universitaire Nous d'abord, d'abord on va s'attaquer à la qualité de l'éducation. Le Niger, à un moment, avait opté pour une euh, euh, option d'éducation, on dit de formation de masse. Ils ont installé le double flux. Après, il y a eu la contractualisation, juste pour rehausser le taux, comme on dit, de lettrés. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, tu vas aller dans l'administration. Il y a même trouver des agents qui vont te faire une correcte lettre administrative, c'est un problème. Donc nous, d'abord, on va s'attaquer à la qualité de l'éducation. La qualité, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement Concrètement, on va d'abord valoriser la fonction enseignante. Si on valorise la fonction enseignante, cette histoire de contractualisation. En quoi valoriser Oui, valoriser la contractualisation. Qu'est-ce qui a fait chuter la qualité de l'enseignement, je l'ai dit, c'est le double flux, c'est la contractualisation. Nous, le double flux, on n'en parle plus, c'est vraiment derrière nous. Donc la contractualisation, on arrête, on prend l'ensemble des enseignants contractuels on les envoie en formation. On sait qu'avant, les instituteurs, c'est un an, deux ans de formation. Là, c'est 45 jours. Mm. Tu ne peux pas faire un programme que tu dois faire en deux ans, 45 jours. n'est pas possible. Mm. Donc, on va les envoyer en formation. Ceux qui seront aptes à enseigner, mm. on va les reconduire comme instructeurs et instructrices. Et bon, comme, euh, comme enseignants. Hein, tout en leur garantissant leur matricule. Parce que c'est inadmissible. C'est les Blancs qui disent à travail égal, salaire égal. On va et revaloriser la fonction enseignante. Maintenant, la base d'une éducation, c'est à notre avis, l'État doit prendre le monopole au niveau de l'école primaire. La grande innovation qu'on va apporter, et je veux le dire haut et fort, nous on pense qu'au niveau du primaire, l'État doit reprendre le monopole. Pour qu'est-ce que j'appelle monopole Aujourd'hui, ces histoires d'école privées là au primaire, les parents ne peuvent pas. L'éducation, c'est une obligation, c'est la, la charge de l'État. L'État a pris cette charge, ils l'ont pris d'eux, ils l'ont posé sur la population mhm. et on l'a accepté naïvement. Maintenant, on est tous en train de peiner comme parents d'élèves. Donc, l'État reprend le monopole au niveau du primaire. Mhm. Ça veut dire, je veux donner deux ans à toutes ces écoles privées du primaire de se reconvertir à autre chose. Parce que l'État reprend le monopole. Si tu n'as même pas une option d'aller au public, et au privé, excusez-moi du terme, on sera obligé de donner une formation primaire de qualité. Parce que tout le monde va se retrouver. Nous allons revenir vers vous le temps de donner la parole aux représentants du parti ANIMA. Donc, euh, au-delà de, recruter autant d'enseignants qualifiés, euh, leur garantir une formation euh, bénéfique, aussi permettre à, aux, aux, au gouvernement de prendre le monopole, comme il l'a dit le candidat indépendant. Dites-nous, pour votre parti, qu'est-ce que vous prévoyez pour le secteur de l'éducation ici au Niger Avant, madame, vous me permettrez de rappeler que j'ai parlé de deux groupes euh, de priorité. J'ai parlé de la bonne gouvernance et de ses contenus. Mhm. le, deuxième élément, c'est de dire que euh, pour le général Moukela, il y a quatre objectifs sont C'est bien nourrir les Nigériens, bien éduquer les jeunes, le peuple nigérien, bien soigner le peuple nigérien, bien loger le peuple nigérien. Mhm. Après le reste, tout, va graviter après. Parce que je vous dis que ça, c'est d'expérience, c'est le pragmatisme intégré qui l'ont conduit à cette conclusion. Mhm, mhm. Maintenant, par rapport eh, à l'éducation, il y a des leviers sur lesquels il faut agir tout est priorisé. Il y a ce qu'on appelle l'accès et l'accessibilité à l'école. Vous voulez une école à côté de vous, il n'y en a pas. Vous voulez une classe en matériaux définitifs, on vous donne la tanda, comme vous me permettez l'expression. Maintenant, après, il faut agir sur la qualité. C'est d'améliorer. D'abord, avant d'arriver à la qualité, vous parlez d'accès. Accès, euh, qu'est-ce qu'on entend par ça Il faut construire d'abord. Il faut construire. Il faut en finir avec la politique de Payotte. Et c'est possible. Et, approximativement, en termes de chiffres, combien de classes vous voulez mettre à la on disposition on, ne, mettra pas à la disposition, justement. D'abord, il faut impliquer les populations. Je suis obligé de rappeler que autour du général Seyne le général Munkel a appris. Il y a beaucoup de choses qu'on tient des travaux communautaires avec l'avènement de la Samaria. Hmm. Vous ne pouvez pas compter le nombre de, de Samaria créée dans les quartiers, dans les lycées. Mm. De la même façon, on peut demander à un parent d'élève, à des associations de parents d'élèves, aussi pauvres soient-elles, de faire des classes en banco et l'État va s'assurer de donner les tôles et les pelles pour faire le bois. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, donc si on comprend, vous allez impliquer également la population. Mais absolument, tout, le tout État est révolu. Écoutez, chaque année, comme vous dites, il y a environ 500 000 enfants qui tapent à la porte du CI. À moins de démographie, aucun parti politique ne peut mettre fin. Parce que vous avez beau construire cette année, mhm. parce qu'il faut 1000 classes, vous avez construit les 1000 classes. L'année prochaine, il y aura 500 000 qui vont venir taper à la porte. du ça évolue. Donc, étant donné que l'État, ce n'est pas une entité à part, c'est un État pour les populations. Mhm, mhm. Il faut impliquer les populations dans le cadre du modèle de ça, parce que chaque année, c'est les collectivités, les mairies ou le conseil régional. Le maire donne 40 000 par, ou 50 000 par hangar. On fait dans toute la ville de Niamey, dans toute la ville de Zender, de Dosso, de Difa. Et la même année, avant mai, c'est Seco, c'est là, tout est parti. Et on refait du surplace. Il faut ramener les petits sous là et les populations vont démarrer avec classe en banco jusqu'au jusqu'au l'État va donner la tolle chose On va expérimenter, voir. Sur le terrain, vous pensez que les classes en banco feront l'affaire des gens qui sont sous des paillotes. Madame, vous pensez que le banco ne fera pas l'affaire <laughs> Moi, aussi. <laughs> Et donc, au-delà de la construction de ces classes, vous parlez de l'enseignement de qualité. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce sens la qualité, ce sont des aspects précis. La qualité, c'est la formation des formateurs. La qualité, c'est la formation des chefs d'établissement, directeurs, censeurs, euh, proviseurs. La qualité, c'est la formation des encadreurs pédagogiques, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques. Ces gens-là, il faut les former. Une fois que ces gens-là sont formés et qu'ils sont professionnalisés, le reste va suivre. Et il faut respecter leur carrière comme c'est comme l'armée, où le grade compte, vous allez amener un sœur adjoint, vous le nommez directeur d'une école où il y a des instituteurs. Et au-delà du primaire, est-ce qu'il y a une stratégie que vous prévoyez pour le secondaire, l'université C'est la même L'école, c'est un système. On va faire un solidaire des de e depuis, depuis la maternelle jusqu'à la terminale au même endroit. C'est un système. Et dans le système, il faut attaquer l'accès, il faut attaquer la qualité et maintenant la gouvernance. C'est ça, la, gouvernance, c'est ça qui consiste à respecter l'ancienneté et les grades des enseignants en faisant leur promotion. Il faut tenir absolument compte parce que euh, au-delà de, de l'insuffisante formation déjà des formateurs, c'est ces aspects de frustration qui continuent de plomber l'école. Madame la fille, <laughs> je n'ai pas fini de développer, oui, arguments, je n'ai pas fini. je n'ai parlé que du primaire. il y a le secondaire, il y a le, supérieur, et je n'ai pas fini, et je tiens. Parce que le point neuf de notre engagement dit que nous mhm. comptons doter l'école nigérienne d'un enseignement de qualité. Mhm d'infrastructures et d'équipements durables, zéro casse en paillote avant la fin de nos cinq ans et zéro contractuel avant la fin de nos cinq ans. Maintenant, au niveau, au niveau du secondaire, on va recadrer l'enseignement privé. pour, nous, pour nous, c'est inadmissible qu'on prenne une école privée qui est dans une villa avec maximum huit classes, dire que je veux former jusqu'au doctorat. On sait que même l'université a un moyen et a un problème de ressources humaines mhm. pour former. Il n'y a pas de professeur vous Recadrer l'école privée. C'est-à-dire l'école privée, s'il doit former, c'est vraiment comme on dit, du niveau moyen maximum à la licence. Dans un cadre bien maximum à la licence. Ils ne vont pas aller au-delà de la licence. Mm. Quant à l'université, je l'ai dit quand j'ai eu la chance de passer devant les étudiants. L'université, c'est la recherche. C'est destiné à la recherche. Et on nous dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fonds pour la recherche. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Si nous ne pouvons pas créer, on peut copier. Dans certains pays, ce sont les grandes firmes, les grandes sociétés qui sponsorisent la, la recherche. Aujourd'hui, je prends un exemple dans le domaine des télécommunications. Orange peut donner un projet de 5 ans à l'université. Rapidement pour clôturer Ça Pour clôturer, pour clôturer l'axe éducation, donc je dirais que pour finir, c'est avec l'université. Même cette fausse politique d'aller vers une université par région, nous on pense que. Vous pensez que c'est une fausse politique Non, en fait, même l'université de Niamey, avant qu'on ne crée les huit universités, peine à, à fonctionner. Nous, on pense que trois universités, c'est largement suffisant pour ce pays-là. Toutes les universités sont en crise parce qu'on a pris une mauvaise euh, le mauvais choix, on a pris une mauvaise euh, politique. Mhm. la construction de classes de masse pour les élèves, euh, garantir une formation pour les enseignants, ce sont là les grandes les, grands engagements de nos différents candidats présents dans ce studio. Nous allons donc aborder euh, le secteur de la santé dans le plan de développement sanitaire PDS 2017 à 2021 du Niger. Il est dit que l'un des défis majeurs auxquels notre système de santé fait face aujourd'hui est celui d'offrir à la population des prestations de qualité dans un esprit d'équité et d'esprit social. Monsieur Amadou Issifi, euh, vous êtes candidat indépendant. Comment vous comptez relever ce défi, à savoir euh, assurer une prestation de qualité euh, à la population On est très loin de l'homme de l'OMS. Je ne sais pas, c'est un habitant pour 400, exactement. Nous, on doit être à 5 000, 6 000. Moi, je pense que le premier travail à faire, et c'est une aberration, le constat au Niger, il y a des médecins, des chasse femmes des infirmiers qui chôment. Dans un pays où on est très très très loin de ces normes-là. Mhm. Je pense qu'il faut former une formation de qualité et doter nos centres d'abord de personnel, le, le, personnel humain. Mhm. Il faut que ça existe. Agent de santé. Agent de santé, exactement, que ce soit médecin, infirmier, sage-femme, il faut qu'il soit d'abord là. Mhm. Et il faut également des moyens de dernière génération. Parce que c'est un tout. Même si le médecin là, il a sa volonté, s'il n'y a pas le matériel, il ne peut plus rien faire. Mhm. Là également, on compte agir. On va amener les moyens vraiment de dernière génération. je vais en évacuation. Est-ce que vous prévoyez un budget pour cela Le budget, en fait, moi, ma, ma, conviction de la chose, ce budget-là, ça ne sert à rien au Niger de dire on va s'aventurer sur un budget. Mhm. Pourquoi je le dis Même le budget, ça fait des années. Le taux d'exécution de nos tout budget n'atteint jamais 50%. Mm-hmm. Même l'État ne maîtrise pas ces chiffres. Je veux m'aventurer ici, ça ne sert à rien. Le taux d'exécution n'est pas respecté et même le budget, un budget où peut-être 30 ou 40 va dépendre de, de l'extérieur. Hmm. D'abord, je pense qu'il faut d'abord équilibrer notre budget. Nous allons revenir vers vous, monsieur Amadou. Merci, ma euh, alors, est euh, samedi. il faut le rappeler que selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on dispose en moyenne dans le monde de 13 médecins pour 10 000 habitants, euh, avec d'importantes variations entre les pays et les régions. Et en Afrique, par exemple, il n'existe qu'en moyenne deux médecins euh, pour 10 000 habitants selon l'OMS. Comme l'a expliqué un peu monsieur, le candidat indépendant au Niger, selon le gouvernement, le nombre de médecins est dépassé de 350 en 2010 à environ 1400 en 2012 ce qui en termes de ratio équivaut à environ un médecin pour plus de 15 000 personnes. Comment votre parti compte améliorer cette situation ici au Niger vous savez, madame, il n'y a pas de remède miracle. Euh, la situation que vous venez de d'évoquer, c'est aussi en partie la résultante de ce que vous entendez dire que le pays est toujours classé dernier en indice de développement humain. Qu'est-ce que ça veut dire Les indicateurs sont des indicateurs de formation et de la santé. Je vous explique par exemple, lorsque vous partez le pays qui sont à côté de nous, au Bénin, au Burkina, au Sénégal. Sur 200 000 enfants qui entrent au CI, c'est plus de 150 000 qui vont en sixième. Au Niger, de certaines statistiques que j'avais, c'est à peine que c'est 50 000, 59 000 qui rentrent en sixième. Entre la sixième et la troisième, il y a encore la déperdition. Donc, ce n'est pas un secret que nous n'ayons pas de médecins suffisamment formés, d'ingénieurs suffisamment formés. Conclusion, comme j'ai dit, l'école, c'est notre priorité. Nous, allons effectivement, tout comme la santé, l'agriculture, renforcer et donner la priorité aux budget de ces secteurs-là. Et, en termes euh, d'enseignement, vous voulez assurer une formation de qualité pour, en, médecine Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire Nous, nous allons d'abord assurer la couverture sanitaire du pays que le petit paysan de Kintabara ne puisse avoir ses deux comprimés, autre chose, il n'a pas besoin de... Justement, sur le terrain, on sait que les médicaments sont chers, l'accès au centre de santé, c'est un problème. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à cela Il faut rendre accessibles les médicaments aux plus pauvres. Il faut rendre accessibles les personnels soignants aux gens des zones reculées. Parce que même ça, parce qu'on gère mal les ressources humaines. Vous avez, plus, vous avez plus de 60% des médecins du qui exercent à Niamey, des spécialistes que les gens n'ont pas à diffuser à Zender, la maladie qui ne veulent pas quitter parce que euh, l'affairisme est dans chacun dans sa clinique. Et que comptez-vous faire pour, face à cette situation C'est la rigueur absolue. Vous acceptez les ou bien vous allez au privé. Parlons à présent donc euh, de l'axe agriculture et élevage. Euh, la déclaration de Maputo préconise aux États membres de la CDAO d'investir au moins 10% des budgets nationaux dans l'agriculture et d'allouer 30% de cette part à l'élevage. Et au Niger, la plupart du budget 2020 alloué au secteur de l'agriculture est de 4,3% et il était de 3,6% dans le budget 2020. Alors, je reste toujours avec vous, M. Sandy. Euh, que comptez-vous faire pour appuyer le monde rural euh, En agriculture, on a essayé beaucoup d'expériences pour pouvoir booster et arriver à l'autosuffisance alimentaire. En général, est un de ceux qu'on peut appeler les grands producteurs parce qu'il fait souvent des moyens de 30 000 à 40 000 boîtes de mille euh, par an. Ça veut dire quoi euh, au-delà du général, si je dois permettre de prendre l'exemple de la région de Dosso, je connais 4 à 5 ou 6 producteurs qui font les 40 000, 30 000, 20 000 boîtes. C'est une politique qu'on peut généraliser. Mais comment faut-il le faire On a parlé de, de, jeunes sans emploi ou de jeunes euh, qui n'arrivent pas à se retrouver. Mhm. Il faut reconvertir tout ce beau monde de l'agriculture. Vous allez le faire. Mais bien sûr. Moi, j'ai vu l'expérience au, au Bénin. On avait pris 4700 jeunes diplômés, des gens avec droit, maîtrise de droit, maîtrise de sociologie, en train de vendre des cartes de téléphonie sur les feux rouges l'État béninois les a regroupés, leur a trouvé des terrains, les a reconvertis en agriculture. Ils, ils des hectares de, de champs d'ananas, des hectares de champs de maïs. Et c'est cette stratégie que vous allez adopter également Quand quelque chose marche, mon collègue a dit, il faut s'inspirer des exemples qui ont réussi ailleurs. Mm. On ne change pas forcément la route. de ce que nous allons faire, euh, euh, investir et ouvrir les paysans au crédit agricole parce que le, mécanismes mécanisme actuel là ne permet pas tout. Pour qu'un paysan puisse avoir euh, un crédit agricole, ne nous demandez pas une garantie, ne nous donnez pas, ne lui demandez pas une bonification. Ça, c'est des aspects sur lesquels l'État peut intervenir. Maintenant, l'agriculture aussi se développe parce qu'il est machinisé, parce qu'il y a assez d'intrants. Les engrais, les tracteurs seront à la disposition des paysans, on trouvera les modalités et les mécanismes pour la gestion. Et l'élevage c'est la même chose. Et est-ce qu'il y a un budget que vous prévoyez pour ce secteur spécifiquement dit que ce que nous appelons, nous, on parle en pas d'agriculture, c'est vraiment grand A. C'est pratiquement le développement. Agriculture, c'est agriculture, mhm. c'est élevage, c'est l'environnement. C'est question de lutte contre la désertification, c'est question d'accès à l'eau. Tout ça là, c'est l'ensemble de ces quatre là santé, éducation, agriculture, environnement là, que nous allons bosser en termes de, en termes de budget et en termes de motivation. Monsieur Amadou, le secteur de l'agriculture et de l'élevage figure parmi vos, priorités. Vous parlez de redynamiser le secteur. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire Ce qu'on compte faire, vous avez dit il y a 4,3% du budget qui sont alloués à l'agriculture. Mm. Nous, on pense qu'on peut faire mieux, mais je ne veux pas m'aventurer sur des chiffres. Je l'ai dit, le grand problème de l'État nigérien, c'est cette maîtrise des chiffres. Personne ne maîtrise ce qui se passe. Je ne vais pas m'aventurer pour le moment. Mais notre agriculture, le grand problème de notre agriculture, notre notre agriculture souffre de la mauvaise gestion des, des, eaux. on a, Oui, on a trois, trois mois de saison pluvieuse l'eau est mal répartie dans le temps et dans l'espace. Quand il y a un retard, on est inquiet. Quand ça vient tôt, on est inquiet. Quand ça vient abondamment, euh, la stratégie, il y a de l'eau souterraine. On ne doit pas, c'est une aberration de dire qu'un paysan va travailler trois mois pendant l'année et se nourrir pendant, douze 12 mois. Donc nous, on suppose qu'il ne faut pas qu'on dépende seulement de l'eau de pluie quand les gens vont faire la saison des pluies, il faut qu'ils se disent qu'après cette saison des pluies, il y a l'eau souterraine. Notre nappe phréatique est très riche. Il faut juste donner aux paysans les moyens de faire sortir cette eau souterraine et d'aller vers les cultures irriguées et les cultures maraîchères. Et là, on l'a fait. Moi, je ne sais même pas pourquoi dans ce pays, on laisse les bonnes habitudes. Nous, on était à l'école primaire, on nous a appliqué ce qu'on appelait APP, APP Voilà. Le Burkina, aujourd'hui, ils s'en sortent. Aubergine, choux, tomates et salades, tout, on nous dit ça vient du Burkina. On a les mêmes réalités. Pourquoi ça ne marche pas pour nous je veux parler du volet élevage. Je n'ai pas parlé de l'élevage. Le Niger est un pays d'élevage. Mm. Mais quand on regarde, c'est malheureux de le constater, il n'y a pas d'usine d'aliments de bétail au Niger. Et on dit qu'on fait la transhumance. Le cheptel se balade d'un point à un autre non seulement le bétail il y a est producteurs locaux. Oui, il y a des problèmes, c'est très peu. Le bétail est fatigué, l'éleveur est fatigué, et au finish, le rendement ne vaut rien. Nous, on dit ce qu'il faut faire. Il faut faire de l'élevage intensif. Comme tu dis, une petite superficie, on s'occupe bien et le rendement est meilleur. Et on peut également créer des ponts d'eau pour éviter cette transhumance-là. Sincèrement, il y, a, beaucoup de choses. Nous, on Dernier point donc euh, de ce forum, euh, le secteur sécurité, sur le plan sécuritaire depuis l'attaque kamikaze perpétrée en mai 2013 à Agadez et la première attaque de Boko Haram en février 2015 à Difa et Bosso, le Niger fait face donc à une situation sécuritaire sans précédent. Étant entouré de plusieurs foyers de conflit, le pays a vu l'insécurité s'élargir sur l'ensemble du pays. D'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels occasionnés. À ce jour, l'état d'urgence sécuritaire sévit dans trois régions, notamment Tawa, Tilaberi et Difa. Monsieur euh, le du parti Anima, Qu'est-ce que vous comptez faire pour que vraiment tous les citoyens nigériens se sentent en sécurité euh, Merci, c'est l'objectif euh, numéro un, avant même la bonne gouvernance du parti Anima Bani Zumbu et de son président, le général de gendarmerie Moukeleïsa, que j'ai dit que en termes d'expérience, de, défense du territoire et des citoyens et de leurs biens, peut revendiquer 42 ans. Mais Très simplement et très humblement, il faut agir sur la formation des militaires. Là, je parle de formation permanente. Lorsque, vous, finissez votre lorsque vous finissez votre formation commune de base, comme disent les militaires à début, l'armée, c'est un cycle où la technologie avance, où les stratégies avancent. Donc, en permanence, il faut faire la formation continue donc permanente le personnels militaires. Premièrement. Deuxièmement, il faut assurer la gestion de la carrière des militaires. En, quoi faisant En faisant concrètement que chaque soldat qui doit être au tableau d'avancement ait son avancement en temps et en mérite. C'est ça la gestion de carrière. Quand vous sentez souvent qu'il y a tel ou tel avancement exceptionnel, l'armée ne peut pas s'accommoder de frustration. Donc, vous gérez leur carrière, vous, vous, assurez leur formation permanente et, naturellement, vous ne regardez pas sur le budget de la défense. Mhm. Voilà un peu ce que compte faire le général À, euh, ces deux axes, une fois les agents bien formés, bien recalés, euh, vous pensez que euh, cela suffirait pour vraiment assurer une meilleure sécurité au pays Oui, parce que c'est le combattant, c'est d'abord un moral. Voilà les conditions pour assurer son moral. S'il a le moral, il a la, foi, il a la force pour défendre, pour combattre former <laughs> donc les agents de force de défense et assurer leur avancement, euh, ce sont là les engagements pris dans le secteur de la sécurité. Euh, de votre côté, monsieur le candidat indépendant, qu'est-ce que vous prévoyez sur le plan sécuritaire euh, Pour nous, le volet sécuritaire doit être vu sous deux angles. Le premier angle, nous, on a remarqué que nos autorités ont commis l'erreur de sous-traiter notre sécurité. Et ça ne se fait pas. On ne sous-traite pas la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité doivent être au premier plan dans la défense, de la, comme on dit, de l'intégrité de notre pays. Mhm nos forces de défense, on doit leur faire confiance. Et cette confiance-là est rompue aujourd'hui entre ces autorités et nos FDS. Mm. Il faut redonner à nos forces de défense et de sécurité leur lettre de noblesse. Maintenant, après ça, on va les doter de moyens adéquats. Pourquoi je le dis Il faut leur redonner confiance. Parce que quand il, a parlé de motivation, mais quand on ne te fait pas confiance, tu ne peux pas défendre. Le premier objectif, on est là, on n'a pas des moyens conséquents, c'est d'abord de dire, OK, vous êtes au premier plan. Nos partenaires doivent être au second plan. Nos partenaires, on va recadrer leur mission. Ils vont nous appuyer sur le volet renseignement et sur le volet formation. Mhm. Mais le terrain, à proprement parler, c'est à nous autres Nigériens d'être sur le terrain. Vous avez parlé de moyens adéquats. Qu'est-ce que vous allez mettre à disposition Les moyens adéquats aujourd'hui, pour faire vraiment, pour intervenir, il faut un minimum. Il faut un minimum. Je ne veux pas rentrer dans d'autres détails. On a vu le gouvernement à chaque sortie dit que aujourd'hui le budget a été plombé par les dépenses sécuritaires. Mais malheureusement, ça ne se sent pas sur le terrain. Nous, il faut que les gens sentent qu'il y a un changement, que nos FDS même disent qu'ils sont outillés pour remplir leur mission. Ça, ça doit se constater. On n'a même pas besoin de parler de certaines choses. Ça tape à l'œil. Comme j'étais. Et maintenant, le deuxième volet, cette histoire d'insécurité, c'est également le volet social qu'il faut traiter. Qu'est-ce qui nous a amené à cette insécurité mhm. C'est les gens-là qui sont en déperdition. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les récupérer Quand quelqu'un dit OK, je suis prêt à mourir, ce que la personne a désespéré dans la vie. Mhm. Je pense qu'il ne faut pas dire à tout bout de champ, on va frapper. On peut frapper, je suis parfaitement d'accord. Mais essayons aussi de traiter ce volet social. Ces deux angles. Le premier angle, nos FDS doivent être au premier plan. Nos partenaires, ont recadre leur mission. Leur mission doit se, euh, se se, se, limiter au renseignement et à la formation. Quant au volet social, il faut vraiment voir les véritables causes qui ont poussé ces jeunes-là à prendre leurs armes contre leur propre pays. Merci, euh, donc, euh, monsieur, quel est votre mot de la fin, monsieur Seydi ah, Le mot de la fin, c'est que nous avons des ambitions pour le Niger. Euh, le général Monkela, c'est toujours dit déterminé à donner de lui-même pour, comme je l'ai dit, assurer la bonne gouvernance et donc euh, lutter contre la corruption et l'impunité, faire la, la dépolitisation de l'administration, libérer les juges, y compris du parquet de l'emprise mhm. de la chancellerie. Maintenant, assurer les besoins de soins, de santé, Maintenant, par rapport à la sécurité, il nous faut, comme disent les militaires, un homme, un moyen, une mission. Et il leur faut, il leur faut garantir la gestion de leur carrière. Il leur faut absolument, absolument euh, qu'on puisse euh, relever leur morale. Merci à vous. Amadou Sifi, votre mot de la fin rapidement. Merci beaucoup, Nafisa. En fait, mon mot de fin, je dirais que de 90, où on a vraiment commencé les grèves pour réclamer la démocratie, à aujourd'hui, ça fait 30 ans. Donc, ça fait 30 ans qu'on a confié la destinée de ce pays à un groupuscule mhm. d'individus. Mhm. Malheureusement, aujourd'hui, le constat est amer. Aujourd'hui, rien ne va dans ce pays-là. On avance en reculant. Et je souhaite et je prie le bon Dieu pour que les prochaines échéances électorales soient vraiment une occasion pour le peuple nigérien de s'assumer, une occasion pour le peuple nigérien de regarder enfin ce Niger-là avec un nouveau regard. Et ce nouveau regard, ça sera un regard qui sera vraiment élancé. Eh, lancé pour rien que pour les intérêts, les intérêts collectifs du peuple nigérien. Merci, chers candidats, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu Comme vous l'avez si bien entendu, nos différents candidats présents dans ce studio euh, nous ont bien présenté leur programme, des ambitions pour le Niger. Et donc c'est ici que prend fin cette émission. Nous étions avec M. Euh, Monsieur Amadou Issifi, il est candidat indépendant. M. Idi Ide Sandi, il est le secrétaire général du parti Anema Badizumbu, qui représente euh, le général Munkaila Issa, président du dit parti. Nous avons également invité le parti ANDP Zamalaya qui n'a pas envoyé de représentants. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo. À la technique, c'était Seni Isaka. À très bientôt sur le studio Kalango.